C'est bon, les gars C'est bon, les gars voilà. présenter, s'il vous plaît C'est M. Nicolas passé. Bassène, le jeune frère de René Capet Alors, le verdict a été rendu aujourd'hui. Quelle appréciation que Oui, c'est avec euh, un cœur meurtre. ont été posées depuis l'arrestation. Toute la procédure jour Et cela qui était là présent lors de, l'audience. Combien de, jours si une personne, si de l'acharnement Parce qu'il faut forcément un coupable. Il faut forcément des résultats. Et ces résultats, forcément les faire et les faire porter à une seule personne. Au début même, la, première interview que le premier procureur a apportée en présence de la gendarmerie, ils avaient dit que le coupable en chef, le cerveau, le cerveau a été arrêté. Donc on voit très tôt les prémices d'une condamnation qui peut faire porter à un innocent. Et nous, la famille, des premiers jours de l'arrestation, nous avons toujours dit haut et fort, oubli, que nous voulons une justice équitable, neutre, des juges indépendants qui diront le droit. Au nom du droit, rien que le droit dommage. Tout ce qui se trame au Sénégal, que la justice n'est pas indépendante. Aujourd'hui, c'est la confirmation. Aujourd'hui, votre frère avait élevé la main pour dire qu'il allait se suicider. Est-ce que vous avez jouer votre euh, passion en tant que famille pour le faire à la Personnellement, personnellement, je dis, et au nom de la famille, nous ne voulons pas perdre notre mais également croupir en prison pour une chose qui de près ni de loin nous ne sommes pas, il n'est pas responsable. Pensez-vous, mettez-vous une, une, à, sa place, quatre ans, sans rien connaître de sa femme Quelle est cette vie Mener toute la, fin de sa vie en prison. Quel sens donnez-vous à cette vie pour une chose qu'il n'a jamais fait et qui connaît le sait. Pensez-vous que moi, nous, on doit le discerner sur cela Ça nous fait très très mal quand il a pris cette décision. Si c'était moi, c'est l'honneur d'une personne parce que son image a été bafouée, foulée aux pieds dès le début, avec euh, euh, euh, une médiatisation à haute outrance. Chaque fois, c'est René Capin ici. Au point que les autres, on les, on on les oublie. René Capin, René Capin. C'est un jeune. Il vient d'avoir juste 40 ans. Jusqu'à quand il va couper en prison Pensez-vous que c'est raisonnable Donc moi, je dis, si nous allons d'abord l'expliquer, nous ne sommes pas là pour le dissuader sur quoi que ce soit, parce que c'était moi aussi je sais que je n'ai rien fait. Je, nous prenons Dieu en témoin. Je ne veux pas sacrifier ma vie pour des futilités et rester en prison. Au nom de quoi Parce qu'il voulait un coupable. Et forcément, il faut qu'il trouve un coupable. Et forcément, il faut qu'il fasse, de René le cerveau. Et forcément, il faut que cette parodie de justice qui, depuis le début, nous a montré qu'ils veulent sacrifier deux personnes le reste, c'était du décor. Les deux possibles, c'est Ampoui, c'est René. Alors aujourd'hui, il y avait une possibilité hein, qu'il fasse appel comme Ampoui Godin, mais il a dit non. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec une rencontre avec René, l'idéal, c'est qu'aujourd'hui c'est une chance pour lui hein, pour qu'il fasse appel Non à un, un, appel pour quoi que ce soit. Le suicide, est-ce qu'il l'a dit c'est aujourd'hui, c'est demain ou après-demain Non. Alors l'autre chose, une nouvelle chance aussi, parce qu'on a vu des gens qui sont condamnés à perpétuité et qui ont été graciés aujourd'hui par le chef de l'État. Aujourd'hui, en tant que chef de famille, en tant que représentant de la famille, est-ce que vous n'avez pas un message à lancer à l'endroit du chef de l'État Nous l'avons fait. Et nous l'avons toujours fait. Les autorités ici de la région, beaucoup nous ont rencontrés. Nous l'avons toujours dit et nous l'avons fait. Et nous n'osons pas croire que Macky Sall n'est pas au courant de ce qui se fait en tant que président de la République qui œuvre pour ce qu'on appelle la paix en Casamance. Il était, il était Premier ministre. Et l'ANRAC dépendait directement de la primature. vous lui tendez la main aujourd'hui afin qu'il puisse... Je reviens. L'ANRAC dépendait de la primature. Tous les rapports de René, que René faisait, il les recevait. Si aujourd'hui, il est président et qu'on lui dit, il y a une théorie, et dans cette théorie, il figure en cette erreur de bassin il devrait être le premier à dire que c'est faux. Parce que ce jeune homme, j'ai lu ses rapports jusqu'à nos jours. Donc, qu'est-ce qu'il en a fait Ça nous donne encore la perception qu'il y a une même politique. Et ça, c'est un dossier purement politique pour la liquidation de deux personnes, voire une personne, parce qu'il gênait. Il a toujours dit mes propos les prenne à la source et non pas sur autre chose. Parce qu'il avait cette possibilité-là, par sa double casquette d'agent de l'État de l'Andrade et de journaliste d'investigation qui, avant même d'être euh, dans l'Andrade, depuis 2014, s'est investi pleinement dans cette crise. Donc, il bénéficiait de cette confiance et il pouvait rencontrer tous les chefs d'Imaki. Autant que vous, les journalistes, vous pouvez rencontrer tous les chefs du c'est votre cas, c'est journalistique, et tous les chefs militaires. Est-ce que ça, c'est un délit ou un crime Comment vous pouvez-vous comprendre une personne de 97 jusqu'à nos jours, on a quitté le village parce qu'il y avait des représailles. On a vécu dans la location des moments très vie. Cette personne s'est débrouillée jusqu'à aujourd'hui devenir un fonctionnaire de l'État avec un bon salaire, mettre en place sa maison, se retourne pour aller euh, perpétrer un massacre. C'est insensé. Allez-y sur René Quel est le meuble de, haut niveau que vous allez trouver En bas de tête ou autre Pour qu'il prenne prennent la cause de la forêt à sa charge. C'est absurde mais ma question est de savoir, est-ce que vous lancez un appel au chef de l'État Vous avez tout en paix, mais aujourd'hui, vous le réitérez. Nous, nous n'avons jamais demandé de grâce. Qu'est-ce que nous voulons C'est qu'il soit blanchi. Que tous, comme l'audience l'avait dit, il était clair et net que René Bassin n'était ni de, de près ni de loin associé à cela. Et cela, il y va de son image, il y va de notre image. Mais une grâce, c'est comme si on acceptait qu'il a fait et maintenant on le gracie, on le Étant donné qu'il n'a pas fait, on appelle au juge. Nous respectons toutes les autorités, à la sérénité, à l'indépendance de la magistrature, comme nous l'avons toujours dit, et au calme, de dire le droit, la vérité, rien que la vérité. Le grand juge, c'est Dieu. Un jour, ils seront jugés.

都係，都係都係，提供嘅可以。乜嘢？ C'est bon présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Madi Diopsane, coordinateur du mouvement Vision Citoyenne. Alors, Madia Diop vous avez défendu le dossier. Aujourd'hui, le verdict a été rendu Quelle appréciation pour ça euh, Il faut qu'on vous dise réellement que euh, nous sommes déçus. Vous dire réellement que l'appréciation que nous en faisons, c'est une appréciation très négative. Parce que s'y attendait le moins en réalité. Et cela prouve encore à suffisance que notre justice elle-même, elle a des problèmes en réalité. Elle a des problèmes. Parce qu'en matière criminelle, il faut des preuves. Mais dites-moi en réalité, ce juge d'instruction que nous avons apprécié dans la démarche, qu'est-ce qu'il a fourni comme preuve pour pouvoir emprisonner à réclusion, perpétuelle des innocents. Nous ne cesserons de le dire. C'est encore des innocents qui vont courir en prison. C'est encore des innocents qui vont être les agneaux du sacrifice. C'est encore des innocents à qui on va faire porter leur appartenance au MFDC. Nous le disons, l'appartenance au MFDC n'est pas un délit. Le MFDC, c'est un mouvement. Donc, si aujourd'hui, de par peut-être ses écrits, de par leur appartenance, une justice a rendu un verdict par complaisance pour tout simplement plaire à je ne sais pas qui, mais en réalité, on a des problèmes dans ce pays. On a des problèmes. Et je pense que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, en dehors des politiques, nous devrions prendre notre responsabilité et prendre notre destin en main. Le président de la République avait dit en 2016, bâtissons notre propre destin. Et jean de dire le destin est une passe vierge sur laquelle chacun s'inscrit. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous prendrons nos responsabilités. Parce qu'une fois, une, fois de plus, on a entendu que l'UMS est en train de préparer une réplique par rapport à quoi Par rapport aux injections, par rapport aux allégations que les gens font de la justice sénégalaise. Mais si elle veut cette justice-là, si elle veut être crédible encore une fois de plus, il faut qu'elle change de fusil d'épaule en matière criminelle, c'est des preuves qu'on doit juger. On doit se poser, on doit se fonder sur des preuves tangibles, palpables. Mais dites-moi en réalité, quelles sont ces preuves-là Si en réalité, ceux-là qui sont et même dans de l'enquête, paraît-il qu'ils n'ont pas mis les pieds sur les lieux, sur les scènes de crime. Mais dites-nous, sur quoi se base-t-on pour faire, pour donner, pour... Non, écoutez, nous sommes tous en sursis dans ce pays. Et ça, il faudra le dire à qui veut l'entendre. Maintenant, c'est aux Sénégalais de prendre leur destin en main. C'est aux Sénégalais de prendre leur responsable. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, je vous jure qu'on prendra notre responsabilité par rapport à ce qui se passe dans ce pays. On dit bien, la justice elle n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. C'est-à-dire, au-delà de l'exécutif, de de, de, de, du pouvoir législatif aussi. Si nous avons une bonne justice, nous avons un pays paisible. Mais attention, ce que l'on est en train de voir, c'est qu'on ne juge pas de par des faits. Dis-moi les faits, je te dis le droit, mais dis-moi les faits, je te donne le verdict selon, selon ma complaisance, selon mes sentiments. La justice n'est pas une question de sentiment, mais c'est une question de preuve. Mais on s'attendait à un verdict d'apaisement. Est-ce que ça a été le cas aujourd'hui Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça, ce n'est pas un verdict d'apaisement. Au contraire, au contraire, c'est un verdict en réalité qui va susciter beaucoup de problèmes. Parce que nous, écoutez, là, ce que je veux vous dire, nous, on est les, on est, on est, on, nous appelle la génération Kalashnikov. On est né dans ce conflit-là, on a grandi dans ce conflit. Nous sommes en train de jouer notre partition pour que ce conflit-là puisse prendre fin. Pourquoi Parce que la Casamas a tant souffert. Mais écoutez-moi, si on va jusqu'à traiter chacun maintenant, si parce que de votre appartenance ou de votre situation géographique, on va vous traiter de rebelle. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Dans ce pays, nous sommes tous des Sénégalais. Moi qui vous parle, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Je n'ai pas d'autre origine. Je suis Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Alors, quels sont les, actes, les premiers actes que vous allez poser mais, mais, mais, comme on vous l'avait dit, hein, la constitution sénégalaise, je vous dis, deux les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et l'autre chose, c'est que la constitution sénégalaise dit bien que le droit de résister existe. La résistance est un droit. Donc, la constitution sénégalaise elle-même, elle a demandé, elle a dit, écrivez des notes d'information auprès de l'autorité pour vous permettre de marcher. Nous allons marcher de jour comme nuit, même si c'est une seule personne. Écoutez, là, nous attendons tout simplement le verdict aussi de la cour d'appel parce que l'affaire forcément sera introduite en appel. Ça, c'est sûr. Mais je suis désolé de vous le dire, c'est un sentiment de désolation qui m'anime. Alors, Madja, s'il vous plaît, عشرة jox na la jaajëf ñoo ñoo ñu dóor ko fi ñoo nga def ko traite ñoo nga def ko jarum ñaari sa jarum ñaari sa jarum ñaari sa boobu salaamaaleykum mbokki Kéwoulo yéen itam di seetaan Kéwoulo TV ñu ngi fi ci tribunal bu grande instance de Ziguinchor euh, comme ni ngeen ko mëne déggé dogal bi wadna ci ñi nga xamantene ñom ñoom lañ tumaloon ne laale nañ ak géej ji nga xamantene mo mo moo fa leen la ci àll Boffa Bayotte le 6 janvier 2018 tey nag tribunal bu grande instance de Ziguinchor jël na dogal ci mbir mi euh na seen biir bi nga xamantene Brunet capitaine bassin kii di Oumar Ampoy Bodian ak nga xamante ne moom mooy César euh, Atour Badiane moom nag ñoom tamit condamné nañ ko euh, par contumace ñeneen ñi nga xamante ne euh, bokk na ci juróom fukk ak ñeenti ñi nga xamante ne ñoom lañ tuumaloon ne ñoom ñoo laale ak mbir mi ñaar ci ñoom bàyyi nañ leen ñu ñu ñibbi donc euh, ñett ñi nga xamante ne kooku mooy di César Abdou Badiane kii di René Capain Bassène ak kii di Oumar Ampoy Bodian ñoom euh, tëj nañ leen seen biir dund teg si teg nañ leen euh, ab daan nga xamante war nañ fay nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo loolu njaboot ñi nga xam ne ñoom ñoo ci mbir mi ku ci nekk war na fay njaboot yooyu noonu lu ci toll ci vingt millions de de noonu bokk ne ñoom seen mbokk yi gaañu ci mbir mi wala ñoom nga xamante seen mbokk yi jot nañ leen dool ci mbir mi donc loolu lañ ko fii pour sa nekk ci tribunal bu grande instance ci bu bu Ziguinchor te loolu tamit lañ mën a jàpp ci li nga xamante ne moom moo wadu ci dogal bi nga xamante ne tribunal bu grande instance bu Ziguinchor jël nañ ko tey